nom c'est Maudou je suis du Sénégal, je suis né à Grand Dakar. Je vis aux États-Unis, entre les États-Unis et au Mexique depuis maintenant 18 ans. Ah, je, je, suis, je suis euh, un entraîneur au, niveau du Mexique, euh, aux États-Unis, comme euh, entraîneur physique. J'ai aussi ma marque Moriverit. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant 6 ans. À chaque fois que je viens au Sénégal, je fais un tour ici pour leur donner leur don et euh, je fais juste un protocole, je suis juste un protocole. Je ne sais pas parce que je suis très riche ou quelque chose comme ça, mais je connais beaucoup de gens qui ont des financièrement qui sont bien et quand, à chaque fois quand je viens au Sénégal, je propose que je vais aller visiter la pépinière de Mour, tout ça là, et il me dit, tu me donnes 100 dollars, tout ça là, avec un peu d'argent de mon côté, et on fait le tour pour amener ces dons. Actuellement, ce que je fais quand j'arrive au Sénégal, moi je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je, parle à, mon, à, ma famille, et c'est mon neveu actuellement qui les a contactés, leur demande ce qu'ils voulaient le plus. Les, il y a les riz, le sucre, les, couches, surtout les couches, you les couches, quoi, vermicelle. Chocolat, tout. les ben, Pommes de terre. On a dépensé 900 000. 900 l'année passée, actuellement on avait dépensé plus de 1 500 000, you know. Mais je vais continuer, je vais revenir euh, probablement dans 6 mois. Mais chaque c'est quelque chose que je, continue, je vais continuer à faire chaque année que je suis là, Inch'Allah. Mhm. C'est ça la vie quoi. Ce lieu mhm. mais quand j'ai commencé ma, ma, ma compagnie, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup au cœur. je me disais qu'à chaque fois, même au Mexique, je, fais beaucoup de, euh, je travaille beaucoup avec la communauté, avec les enfants, tout ça il y a six ans, quand je venais ici, on devait rester ici à Mour, à Sali. Et j'ai demandé à ma famille, eh, est-ce qu'il y a un orphelinage ou quelque chose comme ça que je peux visiter Je suis venu, vraiment, ça m'a touché. je me suis oh, quand je vais repartir aux États-Unis, je vais essayer de leur aider. depuis, depuis lors, chaque année, je reviens ici pour leur aider. Bien sûr, ça, ça c'est un rêve pour moi, pour te dire. Euh, ça se développe euh, au Mexique très bien, you know. J'ai la, euh, chance d'entraîner des stars, you know, Hollywood, des, gens qui sont dans le, you know, grands sportifs aux États-Unis. À chaque fois quand ils viennent au, à Cabo, ils m'appellent pour les, pour les entraîner. Et, comme on le dit, si tu as quelque chose à l'extérieur, you know, c'est le vrai plaisir sera quand tu amènes les trucs au Sénégal. lu ma mënti am euh, euh, si biti. ma dans ma you know comme dara quoi c'est un rêve et inchallah inchallah je vais le réaliser un jour bien sûr même même les clubs les les you know les clubs les écuries d'arène tout ça là et même les élèves you know c'est quelque chose que je vais parler avec une copine d'enfance you mon, neveu comment on peut développer ça Ce sera un conseil mais je suis prêt c'est quelque chose que je travaille là-dessus depuis maintenant 8 ans que j'ai eu ma compagnie. Mais Inch'Allah, bientôt on, va, on, sera au Sénégal. Oh, on, ne sait pas, du moins je ne connais pas le, marché ici au Sénégal très bien, mais encore je vais, je vais demander à, une équipe ici qui vont m'aider, you know, mes, proches pour m'aider comment euh, venir aussi avec la marque là, c'est la marque ici au Sénégal. Mais Cabo, on fait du tout. On, on est, une ligne de vêtements, euh, on, fait des produits alimentaires, euh, on, a des salles de gym, on a des, aussi on travaille avec les écoles, euh, on travaille les écoles, on, est en charge de, la, des chaque jour, on fait 1200 repas par jour. You des repas tout sains, bio. J'ai un restaurant aussi au, Mexique. Le, sixième truc que je fais, ce sont les trucs sociaux, sociaux que je, tiens beaucoup humanitaire. Partout, mais au Cabo, je fais, on fait ça Ça dure. Euh, on a des enfants qu'on aide euh, dans les écoles privées. c'est notre compagnie qui les prend en charge et c'est quelque chose que j'aimerais actually commencer ici au Sénégal bientôt. You aussi pour aider des, élèves qui n'ont pas les moyens pour aller euh, dans les écoles privées, les donc ça, probablement, chaque fois, tu peux te dire, you know, c'est une fierté. Quand, quand je leur parle de ça, là, you know, quand ils voient qu'on est d'Afrique, you know, on a beaucoup travaillé you know, pour euh, devenir ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est une fierté pour eux, c'est très euh, émouvant. You know, ils veulent venir un jour me dire que... Et mais, moi, je dis ça à mon équipe. Je dis, mon rêve un jour, c'est de lui en avion Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent découvrir l'Afrique. Euh, pour te dire que, un, c'est Jennifer Aniston, qui, j'entends, c'est une copine, que j'entends, une des stars, you know, Dwayne Wade, you know, euh, il euh, Eli Manning, the Giants, Gabriel you know, Union. Gabriel Union, tout, tout. Ils, aiment découvrir, ils aimeraient découvrir l'Afrique, euh, plus particulièrement le Sénégal. Je lui dis, quand il me dit que mais toi là, tu es tellement gentil, je lui dis non, si tu pars au Sénégal, tu vas te dire, waouh, Modo, tu n'es aucune personne. You know, que les, je sais que un Sénégal, comment les gens sont. Mm-hmm. Il y a, il y a, a actuellement un copain aussi, mais sur le plan de basket, euh, you know, copain Pape aussi qui, qui mm. travaille sur le même, euh, même, le même projet que moi, pour c'est pour cela que je aujourd'hui. Et ma copine d'enfance, Mina aussi, c'est parce qu'on on, essaie, de, parce que pour moi, la meilleure façon de, de, motiver les gens, d'inspirer les gens, c'est euh, de, faire des actions. Il ne faut pas les dire, et quand ils voient c'est waouh. You know? Et quand je vais poser, ces, quand je vais euh, monter ces photos sur Facebook, euh, sur mes, euh, envoyer ça à mes clients, ils me disent que l'année oh, prochaine, il faut m'arrêter. Hein. C'est ça. Mais il faut que tu inities, il faut que c'est ce qu'on fait. On initie. merci.